Mais Bah, je sais pas ce que j'ai porté. J'ai juste pris mes habits, je suis portée. Directement. ouais. Euh. Mais rien, viens. Bah, je suis venue à cause de ma petite soeur. Parce que, euh, voilà, elle m'a dit carrément qu'il faut venir euh, parce qu'il y a Té qui, qui, est là au Sénégal et tout, et on est, on est là. Uh-huh. Bah ouais, ça me fait plaisir. En plus, lui, il chante trop bien. Ah. On l'aime trop. Oh, le temps, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Et c'est Neweb, hein <laughs> Oh, le vent le, vent a bien tourné. <laughs> ne gaspille pas autant. Eh, je sais pas le reste, voilà, je ne sais pas. <laughs> voilà, c'est bon, je t'en prie. Voilà, nous sommes ici avec euh, Benen Gain, qui tout noir le sol. So, so, noir Non, dara dara ni. depuis quand est-ce que tu euh, depuis 18h. Depuis 18h mm-hmm. Et si tu es là, tu as euh, ambiance, le, genre tout. Oui. son de Non, non, <laughs> ça je peux pas. <laughs> tu peux pas Non, oui. Ah, ok, merci. Là avec une demoiselle qui s'appelle Awa Sissoko. Awa, ça va Oui, ça va. Tu es là pour le concert de Taïk. Nous vous déjà C'est bien, ça a l'air déjà bien là. Il y a une bonne ambiance. Oui, ah <laughs> Mais mais mais ça les vacances Ouais. Ça, ça se passe bien. pas danseuse. Juste chez moi, à la maison, dans ma chambre, je m'entraîne ah, juste à la je m'appelle Ekoma Chono Jadna Fleur. Je suis congolaise. Ben, J'attends qu'il puisse nous montrer vraiment ses exploits, comment c'est un bon chanteur. J'ai hâte de le voir, qu'il soit là pour mettre le show. Le public sénégalais, ils sont vraiment agréables, très accueillants, vraiment gentils. Bah, abonnez-vous, ah, suivez. Un peu, on peut dire. J'essaie de ah, rentrer un peu dans le rythme, d'apprendre à parler le Wolof, de découvrir le Sénégal. le Sénégal est un très beau pays, c'est vraiment magnifique. Wadi, militaire là, dem Darfour Avec copain militaire militaire oui. décédé. mais ñom ñaar ay gaane quoi keus ben jour mu dik ci ben bar ne ko jox ma ñaari veeru vin ndo ñaar yëpp barman bi jaala ne ko mais grand mënoo nan ben bi après nga nan benen bi mu ne ko non sama xarit bi man ak mom 17h bu jot dañ doon def apéro te 17h bu jotee sama xel day dem si mom. xala ma xalat ko ma naanaaleel ko deux mois waa ji chaque 17 mu ngi ci baar bi benn jour waa ji dugg si baar bi rek ne ko jox ma benn verre waa ji ne ko lan la xanaa da nga bàyyi naanal sa copain bi mu ne noo man maa bàyyi naan mu ne oui moi j'ai ces événements-là ont des envergures à double sens. Quand Taïk vient au Sénégal, la communauté française de France qui le suit regarde et suit. Donc le sponsor, il se dit, ma publicité va, faire le, va traverser les frontières. Je ne dis pas que c'est une excuse. Les sponsors commencent à venir dans le hip-hop. Toi-même, on s'est retrouvé dans plusieurs... Euh,

il ay 9 ans 10 ans il fait que quoi fait fi peu. xam nga ba 14 ans 16 ans tu vois donc ça ça montre qu'il faut que soyons à leen et que le pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat nous dañuy ça feesal ces concerts, dañuy ñëw consommer man les ñu may boissons des hot dogs des ñoomin donc man ça me fait penser à ce genre de choses Voilà si c'est euh, un artiste international dañuy gis les partenaires derrière mais bu nous ñun la ñun sénégalais partenaire du ñëwee comme ni ñu ci lan problème bi langage bi la wala la barrière honnêtement je ne saurais te dire mais ben affaire daal laa xam Il y a ce côté mythe xam nga dafa am un mythe qui xam ne moo artiste international alors que ñun fii gars yi dañu accessible il faut que ñuy bàyyi xel ci loolu gars yi dañu accessible te boo seetee sax suñu suñu suñu animateurs yi sax bu ñuy invité boo affaire bi ay ay ay jaayante doole la ay wane ne waaye yow waaye yow dina la poser ay question yo xam dama lay jéem galgal alors que feulé dañ len di mettre ci benn piédestal valoriser Il y a tous ces aspects là mais mooy liñu wax il faut ñu organiser benn ndëpp benn ndëpp vraiment de la de la de la de la musique sénégalaise Thank you.